tout à l'heure. Il y aura d'autres personnes qui viendront présider cette cérémonie avec moi. Donc, euh, déjà à 10h30, nous aurons le discours de Monsieur le Président du gouvernement du Fosco. Gaëtan, tu l'aimes, Président, s'il vous plaît. Et euh, Monsieur le Président, après le Monsieur le Président, nous aurons le discours de Monsieur le Préfet de l'élémentaire, Monsieur Sambou. Applaudissements pour Monsieur Sambou. Après le discours de Monsieur Sambou, nous aurons le discours du préfet du moyen et du secondaire. C'est Madame Simedou. Applaudissez Madame Simedou. Ensuite, nous aurons le discours de, du plus grand. Est-ce que Khamgen, c'est qui le plus grand Ah, c'est qui le plus grand Monsieur le directeur général. Est-ce que Khamgen, quand le directeur général C'est qui C'est qui Heureusement, je pensais que vous ne connaissiez pas votre euh, administration. Donc euh, voilà. Euh, ce sera le discours de Monsieur Sarr, Monsieur le directeur général des cours privés Savoir Plus. Donc applaudissements pour Monsieur Sarr, qui est mon ex-professeur aussi en mathématiques. Monsieur Aboussou. Monsieur le Président, alors vous avez la parole. Euh, bonjour. Monsieur le directeur des cours privés va Plus, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les surveillants, honorables hôtes, chers élèves, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de sacrifier à l'usage en vous souhaitant la bienvenue au cours privé Savoir Plus. Les populations laborieuses de notre établissement, par ma voix, vous disent d'Alain Vous êtes chez vous au cours privé Savoir Plus, terre d'amitié, lieu de fraternité et d'échange fécondes. Cette auguste ensemble qui se propose d'être un espace de concertation pour renforcer les liens entre établissements dans le domaine de l'éducation. De base ouvrira, nous en sommes convaincus, de réelles perspectives pour l'élargissement des bases et l'harmonisation de nos systèmes éducatifs. Cet honneur est un hommage qui nous va droit au cœur et nous le ressentons comme un encouragement à l'effort de nos enseignants qui font œuvre de pionniers sur le chemin de la réussite. Sur cette note d'espoir, tout en renouvelant à nos autres nos souhaits de passer un excellent moment, je prie ce Tout-Puissant que nos prestations soient couronnées de succès. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Président, avec euh, son habit traditionnel magnifique et accompagné par deux petites demoiselles magnifiques. sans vous, de venir me rejoindre. Tatou Lemko, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général des cours privés Savoir Plus, Monsieur les membres de l'ensemble École Plus, Monsieur les collègues, professeurs et instituteurs, Madame et Messieurs les parents d'élèves, mes très chers élèves et plus particulièrement les, les honorables Orea. C'est pour moi aujourd'hui, samedi 20 avril 2019, un grand agrément de prendre la parole à l'occasion des journées culturelles et éducatives du FOSCO des cours privés Savoir Plus permettez-moi d'exprimer mes vifs remerciements à toutes les personnes ici présentes qui ont bien voulu rehausser de leur présence si distinguée le succès de cette cérémonie. Je voudrais d'abord, comme à l'accoutumée, sacrifier à la tradition en adressant les sincères remerciements à la salle École Plus pour les moyens qu'ils ont voulu toujours mettre sur pied pour une bonne marche au sein des cours privés Savoir Plus. C'est la raison pour laquelle Savoir Plus est cité aujourd'hui à travers le Sénégal et une partie de l'Europe. Avec ses produits dans les grandes écoles de formation comme le Britannique militaire, le petit séminaire de Ngozoville, les grandes écoles militaires et même au-delà comme à la Sorbonne les efforts fournis des parents d'élèves très fidèles qui continuent à accompagner leurs enfants dans les études malgré les aléas de la vie. Et les enfants aussi ont cultivé l'amour du travail. C'est la raison pour laquelle vous êtes parmi aujourd'hui, n'est-ce pas Je voudrais en définitive faire une mention spéciale aux deux types d'armées ici présents. Non, je ne parle pas de l'armée, euh, de la marine, de la gendarmerie, ni de la police, mais des professeurs et des et de mes chers collègues instituteurs qui ont aménagé aucun effort pour la réussite des élèves et qui ont fait de savoir plus une école citée partout au Sénégal à cause de ces meilleurs élèves, de ces meilleurs résultats enregistré dans les différents concours et examens. CFE, entrée en 6e, BFM, BAC, Britannique militaire, concours professionnel et j'en passe. Je voudrais, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, M. Sambou. Merci, M. Sambou c'est un discours qui nous a, qui nous a très touchés. Et euh, vous avez tout à fait raison sur toute la ligne. Savoir plus, c'est une très grande école. Et c'est une école que l'on entend maintenant partout, partout, un peu partout dans la Dakar, un peu partout dans le Sénégal. Donc, euh, et j'espère que ça continuera ainsi. Donc, euh, à vous, mes petits frères et mes petites sœurs, Mangi Wahata Guyena. Ah. Donc, euh, Dengue ni Monsieur Sambouar, l'Itikanam Bienokomom, c'est-à-dire que les plus définis, c'est pour que vous, vous continuiez sur la même lancée. Que vous continuez de pour savoir plus, nous nous sorry. Nous sorry et que vous fassiez de très bons résultats. Et Inch'Allah, vous en êtes capable. Hein? Ah. Vous en êtes capable. Il ne faut surtout pas vous dire que vous n'êtes pas capable. Vous pouvez le faire. Donc euh, faites-le. Et vous avez les meilleurs profs et la meilleure administration pour ça. D'accord Ensuite, après le, discours de M. Sambou, je vais demander euh, au préfet du moyen et du secondaire, Madame Simedou, de venir et de nous faire un discours madame yow mal mal que alors euh, madame Simetou. bonjour tout d'abord bonjour aux représentants de la stable et bonjour monsieur le directeur bonjour chers invités Bonjour, chers professeurs et maîtres des cours privés Savoir Et je n'oublie pas l'administration très remarquée de Savoir Chers élèves, vous êtes aujourd'hui à l'honneur. Je vous salue et je vous félicite. Je ne vais pas être long que pratiquement, M. Sambou a, dans son discours, englobé toutes les félicitations, toutes les activités de Savoir Plus qui ont abouti à des résultats remarquables sur le plan national et international. Donc, je dirais félicitations aux lauréats d'aujourd'hui et mention spéciale au bureau du FOSCO de 2018-2019. Nous vous avons suivi depuis le mois de novembre jusqu'au mois d'avril. Et le clou, c'est aujourd'hui. Vos journées culturelles du FOSCO se clôturent aujourd'hui pour cette année. Je dis que je vous ai félicité. Je vous encourage car vous avez pensé au ramadan en cours va arriver. Et vous avez pensé aussi aux études et aux compositions qui vont venir bientôt. C'est ça qui vous a poussé à avancer vos dates de clôture de Fosco. Merci encore une fois de votre compréhension. Chers élèves, le bureau du Fosco est un bureau dynamique, un bureau remarquable un bureau qui est composé d'élèves travailleurs, parce que c'est ce qu'on recherche. On dit que tout membre du bureau du FOSCO doit avoir une moyenne de 12 et plus. Et quand on a exploité les notes de ces élèves qui font partie de votre bureau, nous avons remarqué que ce sont des élèves qui travaillent dans leur classe Donc, nous les félicitons de nouveau. J'ai dit, monsieur le directeur, nous sommes chargés de la pédagogie. Mais il y a l'administration aussi de savoir qui n'a ménagé aucun effort pour faire son travail. Les surveillants, la, la comptable Maquère que nous avons, c'est-à-dire notre caissière, nous avons monsieur Sam qui est chargée de l'élémentaire du pré-scolaire, Madame Aïssatou Fall, qui est chargée aussi du pré-scolaire, et moi-même, qui suis chargée du moyen secondaire, nous vous disons merci de votre collaboration. Vous ne cessez de nous pousser au travail. Vous ne cessez de nous demander de redoubler d'efforts pour que savoir plus puisse avoir comme l'a dit tout de suite Lopez, un futur président. Nous le souhaitons. Éminent, éminente personnalité du pays. Nous le souhaitons et nous pensons qu'avec le travail qui se fait sous votre tutelle, nous allons réussir. sur Maintenant, nous, nous sommes peut-être dans les bureaux. Mais comme l'a dit M. Sam, les guerriers, je dirais moi, ce sont les professeurs et les maîtres. Nous vous remercions et nous ne cesserons jamais de vous dire merci du travail que vous accomplissez au niveau de Sabar. Merci et bonne réussite à tous nos candidats au CFO, à la en 6e, au BFM et au BAC. Je remercie tout le monde, les parents, mention spéciale à vous Merci Madame Simedo. Applaudissez Madame Simedo encore une fois. Alors, euh, avant, avant d'en arriver au directeur général, monsieur Sarr, je vais tout d'abord vous demander d'applaudir à une chaîne télé qui est là, qui s'appelle Sénégal Streaming TV, ils sont là aujourd'hui et ils nous accompagnent pour la cérémonie officielle. Et c'est une chaîne que vous pouvez aller voir sur www.sénégals.tv. D'accord Et là, vous allez voir votre cérémonie officielle et vous en serez très ravis parce que c'est une très grande chaîne. Et je vous remercie encore à vous pour le déplacement que vous avez eu à faire pour venir euh, nous aider à organiser cette cérémonie officielle. Alors, euh, Madame Simedou, nous vous remercions et comme elle a dit, bonne chance à tous les candidats, bonne chance à vous. C'est dur, ce n'est pas dur, il faut juste travailler dur et cravacher très fort parce que là-bas, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman qui va s'asseoir à votre place. Il n'y aura ni le professeur, ni les surveillants, ce sera que vous. Devant votre copie, il n'y aura personne derrière, juste un camarade qui, comme vous, l'examen. Donc, euh, travaillez dur et vous allez vous en sortir. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, continuez dans cette lancée. Et si vous avez besoin de conseils aussi, mes petits frères et mes petites sœurs, allez voir vos surveillants, allez voir vos professeurs, demandez-leur parce que eux, ils sont passés avant vous. Donc, eux, ils savent exactement comment faire pour s'en sortir. D'accord Très bien. Alors, euh, maintenant, je vais demander au directeur général, Monsieur Sarr, de venir et de nous faire son discours. Applaudissez, Monsieur Sarr. Merci. Accompagné de toutes les jeunes filles traditionnelles des comprimés Savoir Plus, bravo à vous aussi, mention spéciale à vous. C'est un Chers élèves, nous sommes là pour vous. Vous faites beaucoup de vous ne pouvez pas entendre et vous ne pouvez pas suivre. Cet événement est un événement historique. Ça fait, partie de votre culture. Donc c'est quelque chose que vous allez ne plus oublier. Donc écoutez ce qu'on dit et cessez de bavarder. Vous avez tellement l'habitude de le faire. Assalamu alaikum. Chers parents, chers directeurs, chers présidents du gouvernement scolaire, chers invités, donc c'est une occasion pour nous d'intervenir pour vous dire merci encore. Parce que si nous avons des élèves, c'est grâce aux parents les parents ont confiance en nous. Donc, avoir confiance jusqu'à nous, avec les enfants, c'est quelque chose de très bon. Nous les remercions. Qu'Allah, le Tout-Puissant, nous aide à gérer cette situation. Pour que les résultats, ou ce que vous attendez des enfants, Dieu puisse nous aider. Donc, cette cérémonie, c'est pour l'ouverture, des activités du En fait, l'esprit du fonctionnement, c'est quoi C'est pour que les élèves de l'école puissent se connaître, jouer entre eux, avoir des idées, se prendre en responsabilité. Parce qu'on dit un gouvernement scolaire, je vous donne tous les ministres. On leur donne leur agent, c'est eux qui organisent. Donc tout ça, c'est eux qui le font. On ne fait que donner quelques conseils, mais en définitive, c'est eux qui font le Donc nous les remercions comme, il l'a dit Mme Sénégal. Nous ferons le maximum pour vous aider dans ce sens. Moi, je ne fais rien, je suis le directeur de l'école du coup. Mais ceux qui font le travail, ce sont les préfets, du moins secondaire l'élémentaire. C'est eux qui font le travail. Moi, je ne fais qu'aider. Si quelquefois j'ai la possibilité de donner des, informations, je ne fais que ça. Donc, pour une première, nous avons décidé donner les meilleurs élèves du premier semestre. Donc, c'est une première. On fera, pour l'instant, on donnera pour certains que des diplômes. Mais dans le futur, nous ferons comme des discussions des mais en attendant, pour cette année aussi, nous avons décidé de donner des tenues scolaires aux premiers de chaque classe. Malheureusement, on a des problèmes avec euh, euh, le, tailleur On devait apporter avant cette soirée les tenues des élèves. Mais ça n'a pas été fait. Donc nous ferons le maximum pour que durant l'année, ces élèves aient des tenues scolaires pour que vous voyez que l'année prochaine, on va avoir des tenues. Donc on va laisser de côté un peu les blues pour améliorer, pour que les parents aient moins de dépenses à faire. Parce que dès que l'enfant a une tenue, il n'a plus besoin d'acheter des, des, pour euh, la rentrée des classes Donc, c'est dans ces circuits que nous voulons travailler dans ce monde. Mélodie, le remerciement. ce faut plus quest parce que tout ça été fait par le, le, le, le du Mali et de l'Émental. Donc, ce que je peux ajouter, c'est dire aux galère. c'est vrai, un enfant doit jouer, mais il faut avoir un jeu sain. Les journées culturelles, comme le nom l'indique, c'est pour s'ancrer dans sa culture comme elles l'ont fait, vous l'avez constaté, elles se sont habillées et c'est beau. C'est beau et en plus c'est C'est décent. Donc, il faut avoir des comportements pour permettre d'être accepté n'importe où. Il faut changer les habits. Vous, vous avez il y a certains qui s'habillent comme, de... je sais pas, de... des les prisonniers des États-Unis. En fait, c'est parce qu'ils ont vu ça à la télé et c'est beaucoup. C'est vrai que les jeunes, on fait de n'importe quoi. En fait, on dit pas fait n'importe quoi, mais on, on, singe. Mais il faut savoir ça. Savoir que ce pays a besoin de têtes pensantes. Ce pays a besoin de gens bien habillés. Ce pays a besoin de gens qui sont intelligents. Parce que nous sommes un pays qui a des problèmes le pays qui n'a même pas commencé à se développer. Donc il faut qu'on fasse un effort. Donc c'est vous les élèves, vous qui pouvez régler ce problème-là. Et je sais que vous êtes capable de le faire. Vos parents ont tout fait pour vous. Ils vous ont donné beaucoup. Ils ont fait des efforts pour vous payer votre salaire. De grâce, il faut les aider en, en leur montrant le bord du gars. Tu payes chaque mois de l'argent. À la fin du, premier séance, qu'est-ce que tu vois 5 virgules à 6 Merci. C'est vrai. Alors vous passez toute la journée à manger. Donc parents, on donne tout. Donc faites un effort dans ce sens. Donc en fait, euh, pour terminer, je remercie tout le monde le travail a été bien fait. Comme l'a dit M. Sandou, on a eu de bons résultats. Tous les enseignants du préscolaire jusqu'au secondaire, ils ont fait du bon travail. Et je suis très heureux de travailler avec eux. Ils sont des gens sincères qui font du bon, pour bon, bon travail. Maintenant, ils ne sont pas parfaits. On va essayer de s'améliorer. Et nous sommes là, chers parents. Chaque fois que vous avez des suggestions, l'école est là pour vous Parce que personne, personne n'est parfait. On est dans le métier, il y a des gens qui veulent voir plus que nous. Donc, intervenir. S'il y a des problèmes, il faut les faire. Et pour quel moment, je déclare couvert les journées culturelles des cultures ça dans la dirigeant donne la possibilité d'avoir une bonne électionnaire et une bonne Inch'Allah. Un tonnerre d'applaudissements pour M. Sarr, s'il vous plaît. I go by the name uh, Sheikh Tijan Young. I'm very proud to be here today uh, to assist uh, the big day, uh, the nice day It's very glamorous for me. It's very marvelous for me. Me and my uh, lady Patty. Yeah, I'm not going to finishing without recognize uh, the Mr. Singh, uh, um, the director, the Mr. Director of at the school uh, Sabah Province. I'm very proud to be here today. Thank you. I give my list for Katie. Okay. Bonjour tout le monde. Bonjour chers parents et bienvenue. Et merci d'être là parce que vous avez renié euh, plutôt sur vos heures de repos, vos heures d'occupation pour venir passer la journée avec nous. Donc nous vous en remercions. Euh, so just to say what I've just said in English, so Hello, everybody. It would be a pleasure for me to come to each and every one of you, shake hands with you with a smile on my face. But unfortunately, that's impossible, so just hello, everybody. And okay, today we are going with a channel which is name, which name is Senegal Streaming TV. So if you want to follow them, just go on internet and you and you write Senegal okay. Streaming TV. Okay. okay, thank you everybody. So. We are going to move in the next part. Next part. Okay. Katie, I'll let you, let you go. D'accord. Donc on va... Donc on va, euh, on va procéder à la remise des prix. Ah oui, à la remise des diplômes. Oui. Des trophées. Il y aura des diplômes et des trophées qui seront décernés aux meilleurs élèves. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que vous. Mm-hmm. Si vous n'en avez pas, c'est parce que vous n'avez pas fourni l'effort qu'eux, ils ont fourni. Donc ça sera juste une occasion parce que d'abord vous ne serez pas content, mais après vous serez. Et ça sera euh, une, fierté, je dirais. Ça sera juste une source, une source de motivation. Bien sûr. Just go ahead and work hard for yourself. Yeah, work hard for yourself. That's it. Et on Ok, les élèves sont où Sont où les élèves Oke. Okay. Euh, le diplôme lui sera décerné par Madame Madame, Madame Sané. L'élève Mamdiaracham. Mamdiaracham is here. Prescolaire. Prescolaire. Ok. Prescolaire. Mamdiara. Mamdiaracham. Oui, Mme Diarra Mme est venu ici. Ou bien un de ses parents, s'il est là. Le responsable. Le responsable du plan scolaire, vous pouvez venir s'il vous plaît. So, Madame So, parent

nous euh, demandons Madame Nia, un d'élève. Le diplôme lui sera remis par Madame Nia, un d'élève. Madame Nia. Applaudissez-le. Toutes nos félicitations et nos encouragements. vous devez copier sur elle. Encore C'est la meilleure élève hein, de la classe euh, Applaudissez encore Jimmy parce que c'est la meilleure élève, c'est la meilleure élève plutôt. Plutôt, oui. Omeyaï de la Pour les encouragements à Jimmy Sec. Traditionnel. Je vais demander d'abord à mademoiselle tout couleur. Mademoiselle Toucouleur de venir et de nous présenter son ethnie. À notre ne sont pas nombreux ici. Hein. Elles sont trop bien habillées. Et eh, à la époque, hein. est ce que yéen mën ngeen koo fay ci

ke rumah saya kenapa jadi ya? derek boy, yo, yo, yo, wala, yo, boy, yo, yaki, mengapa deh? Boy, yo, kule emde, ani, ni nyok nyuma emde. Balik man damai lagi di man lan emde wala ki, balik emde. Boy, bayar lolo semua dem gak dem panek, lolo bahu, bah malah panek ngeram nek mau panek, wow. lenga nga mës def lo xam yow paté ya ko expliquer Sénégalais ba Sénégalais ko ko expliquer boy di yow. wa ki ben way la mu organiser ben soirée bu mag grand théâtre préparer ko 7 ans 7 mois 7 jours 7 semaines soirée bi am 7 personnes. xarañ ay mag lañ tamit ay mag lañ man dama leen expliqué ne eh. samay wax gaay naan waa ji dugg si biir soirée bi oh marigo oh marigo bi la mu ne ko gaawal damay tëj buntu bi dama lay expliquer. waaye kenn benn paa mu am ñetti doom. ñetti doomam yëpp dem jàng ji xam-xam ñëw. paa bi toog dajale ñetti doomam yëpp nekkee ni ki yow lan nga jàng ji alxuraan kooku tari bakare ba naaj lépp. dem jàng di tiire pistolet ñëw papa ji ko nag la jàng laa bëgg nga expliqué ko mu jël bal bal bi am na treize coups mu jël puso tiire bal bi si bën doon cent soixante-dix-neuf mille personnes yu toog man ruus naa waaw wax dëgg nag yàlla ah. waxal dëgg. waaw. waaw man Sénégal xaw ma moo tax nit bu gàtte amul njëriñ. man de damaa la rek waaw ndax tuune bi day takk jabar nii dàq xale yi dàqaale ko eh li ma leen di Kër Massar fii la am tuune bi day takk jabar nii dàq xale yi si biti dàqaale ko Massar. waaw loolu moom mu nekk Kër Massar. Kër Massar ay njool nekk. xanaa xamoo y' a pas de sous métier. man gis naa koo am na R ah. wax sax paa bi xam na ne du dëgg ma yàgg ma sëriñ la nag moom guddi day tàggu taalibe yi ne aras lay fanaan ndekete ci kaw armoire bi lay tëdd chaque jour fa lay yéeg tëdd fa benn jour nag muy yéeg armoire bi daanu rëf taalibe daw si naan ko sëñ bi xamut lu muy wax taalibe mu naan ah man ngay bëmbax ah Jibril man ngay bëmbax yow matoo ngay matu reeraan eh, eh, kuy reeraan noonu. ndeysaan xam nga waa ah. kii ancien latéral Congo bi. waaw day tawara ndeysaan. ah ndeysaan yàlla na yàlla jàppale. waaw ndeysaan mi ngi nii. waaw Congo la nekkoon. fa la doon football Tumbin kii moo dugal benn saison 3000. dafa bari dama leen di raconté waat benn affaire rek daal di dem kii benn bambara la. Eh, ana bambara yi ana bambaraw kuy bambara ah bambaraw bi mi aw boole la aw boole la yére. DJ bi bambara la DJ bi. DJ bambara la eh. DJ bi du bambara. Moussa waaw kii benn bambara la bambara bi daa jóge ba ma ko ñëw Dakar dégg loo yendu den la koy fay bambara bi ñëw rek dem gaar ba fekk ñuy wàccee ay conteneur bambara bi mu ne ñu yen ko ñu ne ko dama ne la sëñ bi lii àttanoo ko mu ne dama ne nga yéni ma lii waaye yéni ma lii xam nga bambara yàlla dafa def moom suy wax doole lay waxee. doole lay waxee ma lii oh. mu ne ko sëñ bi lii mënuñu la ngaa yéen bu ñu la ko yéenee da ngay gaañu bambara bi nag nga yéen ma lii ñu yéen bambara bi conteneur bi bambara kefu ñu naan lu muy wax nii bambara bi naan yéen kefu boobu yéen nañ ko conteneur bi bu yàgg mais daa wax ñu yéen ko mu xef dama yénoo diif léegi xanaa xamoo xanaa xamoo man naa vélo Padois ba Touba may ñëw ba Bargny romb camion bu paan ma teg ko tànk ba Touba su boobu dañ ma doon ziyaare. non man fii booy wóop wóop wóop fii gis naa fi ay nit yu ñuul wóop wóop wóop ndeysaan waaw Kër Massar nag dama leen expliqué benn affaire Kër Massar fu mu jóge ah bu ko leen non bii moom dëgg la bii moom dëgg lay doon xam naa waaw non déglu leen rek. ma ne ko mën wax dëgg tey. Kër Massar ñu ko créé 1901. mais iya, masar la tuddoon Massar ancien zone jar ah, boy loolu ngi nii kan laaj père man weeram teew de père ngi nii père ngi nii ah père joxal père ah loo bëgg laaj lu ma loo may laaj dama ne kër Massar créé wuñ ko 1900 kër créé tudd Massar ko kon fekk paa bi fekk fi paa bi fekk fi paa bi ah. fekkee na ko 1901. ah 1901 fekk na la fi yow. 1901. waaw. boobu ku jur sama yaay sama judd. yow ma ne yow fekk nga ku créé Kër Masar yow. damaa ko la posé rek jox waa Kër Masar ku mën a jël nga jël ku mënul jël nga baax. ñu jëluñu. ah bu leen jël. jëloo leen. waaw gars yi ma ma ma tëjee lii. nag dama bëgg ngeen dégloo ko xel te bañ ko dégloo xol parce lii ma leen wax nii du lu nit fekkee maa ko fekkee parce man lépp lu may expliqué day fekkee. maire bi dafa dégg Ablaye Wade day ñëw stade ku dàq yuuxu Ablaye Wade da ngay am ñaari junni Ablaye Wade war a ñëw une heure bi dem ci stade bi dix waaw Léopold la. ñu ne ku gën a fort la baat la ñuy xeex maire bi dem ci stade bi stade bi ci plénière bi maire bi fa lay taxawal ku ngeen ànd laay wat ku ngeen ànd laay wat ku ngeen ànd laay wat ku ngeen ànd. on dirait que ni maire bi. ku ngeen ànd laay wat ku ngeen ànd laay wat. 11h45 ku ngeen ànd laay wat ku ngeen ànd laay wat. midi pile maire bi ku ngeen ànd laay wat ku ngeen. boobu sonn na. midi et demi ba tey meer bi ku ngeen adda aywa Ablaye Wade di ñëw stade bi naan ku ngeen àndal laay war meer bi naan ku. sama wax wax rek ak yow ak yow waaw léegi dafa am man li may soo bi may def nii xale laa ko. ah booy fii pare gaañ. booy nañ bàyyi. ñu may saa bàyyi na. baik, baik nak. Saya ayah dia. Noh, nan baik. Noh, baik nak. Noh, baik nak baik. Saya tak nak buat, saya tak nak buat. Baik nak berarti. Eh, lai. Kok kamu tengah itu? Merci, merci à Pater. ok. Alors, les gars, on commence pour tout du début. Applaudissez Pater.